Man quotidien d'aujourd'hui, samedi 20 avril 2024. Thème Une journée pas comme les autres. Une journée pas comme les autres. Thèse de lecture, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20, nous allons partir du verset 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, Nous à partir du verset 11 à 15. Puis je vis un grand tronc blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'induient, s'enfuit devant sa face, et il ne puis plus trouver de place pour eux. je vis les morts, les grands et petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps feu. Le verset clé, c'est le verset 12, qui dit ceci. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans un serment sur les preuves du jugement divin, les du jugement divin, prêché récemment par le pasteur Matthew Kras, raconte l'histoire suivante qui tire la sonnette d'alarme sur l'approbation illutable du séjour du jugement. Un avocat écossais, un homme méchant, un jour loua un cheval qu'il tua par ailleurs à cause, par malheur, il tua par malheur à cause d'un mauvais usage. Naturellement, le propriétaire insista pour qu'on lui en paie la valeur ainsi qu'une compensation pour la perte de son utilisation. L'homme de la loi a reconnu sa responsabilité a déclaré qu'il était tout à fait disposé à payer, mais qu'en ce moment, il était un peu à court d'argent. Le propriétaire de l'animal accepterait-il un billet à ordre Certainement, répondit-il. L'avocat a alors ajouté qu'il fallait lui accorder un long délai. Alors, le créancier répondit, vous pouvez fixer votre propre date. Le méchant homme a alors tiré le billet, le rendait payable au jour du jugement. Le créancier finit par porter l'affaire devant le tribunal et pour sa défense. L'avocat demandait au juge de regarder le billet. Le juge l'a fait et a répondu le billet à ordre le billet à ordre est parfaitement valable monsieur et comme c'est le jour du jugement je décrète que vous payerez demain alors le passage d'aujourd'hui que nous lisons met l'accent sur le jour ultime inéluctable inévitable du jugement final pour l'Assemblée de l'humanité. Nous sommes confrontés à la réalité que tous ceux qui ont vécu sur terre se présenteront un jour devant le tribunal de Dieu et seront jugés sur la base de la manière dont ils ont vécu leur vie sur cette terre. C'est ce dont les noms figurent dans le livre de vie seront épargné de ce jugement. Il n'en aura aucune possibilité d'excuse ou d'appel contre le jugement et autres changements de sursis. Toutes vos actions et tous vos secrets seront mis en lumière. Quiconque rejette le salut et Jésus ici-bas est condamné à jamais. Notons que, vous noter que, les opinions des hommes où les bruits des faux prédicateurs, des faux prophètes ne peuvent pas modifier le décret immuable, inchangeable du ciel. Ne soyez pas de ceux qui pensent que le jour du jugement est une histoire inventée pour effrayer les hommes et les dissuader de faire le mal et de vivre comme ils s'entendent. Ne laissez pas la façon irréfléchie et insouciante dont beaucoup vivent aujourd'hui, vous faire croire qu'il n'y en aura pas de ce jour de jugement. Le jour du jugement viendra, certainement, et ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur échapperont au jugement. Amen. La pensée du jour est le salut permet d'échapper au jugement à venir. Le salut permet d'échapper au jugement à venir. La Bible en un an. La Bible en un an. Somme chapitre 107 à 109. Somme chapitre 107 à 109. Amém.